ki nga xamante ne moom moo am droit am prérogative constitution bi may ko muy fal ak muy folli est le président de la république moom moo xool nit mu doy ko mu teg ko si place ne ko lii lay xaar ci yow lii mooy say objectif moom dim mooy xool nit mu ñàkk koo doyit mu changé ko seet feneen foo xamante ne gis na ne dina ko fa gën a amal njëriñ donc defe naa ne loolu su amee muy prérogative président Macky Sall war nañu xam sénégalais war nañ ko koo bàyyil ndax cëram la donc loolu defe naa ne sama wax ci li nga xamantene mo am demba ci suñu camarade de parti euh, Sori Kaba. mbirum e mandat dafa nekul à l'ordre du jour instant yu ñu tollu ni président Macky Sall dañ ko fal 58,26% des sénégalais ko wolu fal ko fal gogu bu amé ba paré nan ko may mu liggéey juróomi at yagul mais ci biir liggéey bobu dama japp ne buñuy top ci 3e mandat lamuy liggéey ak lamuy yéné sénégalais yi day nëbbu.

Le mandat, c'est quoi Le mandat, c'est ce pourquoi on élit un président de la République. Ce qu'il est appelé à faire, ce qu'il a promis de faire, ce qu'il s'est engagé à faire. Et il n'a commencé à travailler, ce pourquoi il a été réélu, que depuis sept mois. Et nous sommes dans un contexte qui doit nous inquiéter, qui doit nous préoccuper. Je dis bien qui doit nous préoccuper. Nous sommes dans un contexte de perspective de pays gazier des perspectives de pays pétroliers. Nous sommes dans un contexte de défis sécuritaires qu'il faut relever avec le terrorisme et toutes les autres conséquences. Alors dans cette situation-là, où nous avons un envahissement de nos pays par des puissances étrangères qui agissent et qui se saisissent de leviers de communication et de leviers culturels tels que les médias, avec une avancée technologique que nous n'avons pas, je veux que les Sénégalais se ressaisissent et repense notre commun vouloir de vie commune et préserve notre pays de turpitudes qui peuvent provenir de l'influence extérieure parce qu'on nous vend des projets de société purement culturels via des films, des téléfilms, à travers des médias que possèdent ces puissances étrangères qui sont plus nantis que les médias sénégalais. On commence à utiliser nos langues locales, le Wolof, le français bien sûr, mais le Wolof, le Manding, le Poulard, pour diffuser des informations et concurrencer nos médias nationaux dans un contexte où les puissances étrangères qui promouvent ces médias sont plus antiques que les organes de presse de nos différents pays. Dans ce contexte-là, le parlementaire que je suis, représentant du peuple, est mu par l'intérêt supérieur du Sénégal, c'est-à-dire le mandat, ce pourquoi Macky Sall a été élu, et ce qui fait que moi-même, en tant que parti politique socialiste, je l'avais investi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas vraiment de ceux qui contre le nombre de mandats, parce que pour moi, je ne sais pas de quoi est-ce que demain sera fait. Je ne sais même pas ce que je serai là demain.